STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. est désormais officiel. Le Niger, à l'instar de sept autres pays de la sous-région, dispose d'un fichier électoral biométrique et ce, pour la toute première fois dans l'histoire du pays. Après donc la restitution des conclusions de l'audit du fichier et sa présentation sous sa phase finale, il a été officiellement remis au ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales à la date indiquée dans le chronogramme de la CENI. Pour ce dernier, c'est une grande avancée pour le Niger que de disposer d'un fichier électoral biométrique. Le fichier que vous venez de me remettre, en application des dispositions de l'article 46 du Code électoral, constitue l'aboutissement d'un processus à la fois laborieux et participatif que vous avez conduit avec professionnalisme dans un contexte que nous savons particulièrement difficile deux événements majeurs ont eu à, ralentir ces travaux. Ils ont été évoqués tout à l'heure. Il s'agit de la COVID-19 et de l'insécurité dans certaines euh, localités. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque vous les avez évoqués tout à l'heure, mais je dirais simplement que malgré les difficultés, vous avez réussi à mener le processus à son terme dans les délais requis. Aussi, je vous adresse mes sincères félicitations ainsi qu'aux membres de votre équipe pour le travail abattu. Par ailleurs, euh, il importe de rappeler, comme vous l'avez fait, que ce fichier que vous venez de me remettre a fait l'objet d'un audit conjoint OIF-CDAO et que les experts qui l'ont mené sont arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'un fichier fiable conforme aux standards internationaux et bon pour servir de base aux élections à venir, confirmant ainsi la qualité du travail que vous avez mené. Mesdames et messieurs, le Niger dispose désormais, à l'instar euh, de sept autres pays de l'espace CDAO, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger dispose donc d'un fichier moderne et fiable pour l'organisation d'élections crédibles quel que soit le scrutin, qu'il s'agisse du scrutin national ou local. L'on peut donc, sans risque de se tromper, dire que le système des élections du Niger est en pleine révolution car un fichier biométrique est gage d'une élection libre, transparente et apaisée et c'est un tournant décisif dans l'histoire du Niger car c'est une grande première et cela a été rendu possible grâce à l'abnégation et au courage de la CENI actuelle avec à sa tête le président maître Isaka Souna. C'est sous le rythme imposant de l'hymne du PNDS Tareya qu'a débuté ce conseil fédéral extraordinaire du parti au titre de la région de Niabé. En amont des travaux proprement dits de ce conseil fédéral, c'est d'abord le conseil local au titre de la commune 2 qui a procédé à la validation des candidatures des conseillers d'arrondissement et de ville de la dite commune. Les candidats présentés ont ainsi été confirmés par la fédération. On farawa kamar yadda kun ka sani kwansai ne wanda zai su kin 'yan takara na 'yan majalisar dokoki da 'yan takara na kwansai ville da 'yan takara na kwansai kin arrondissement kamar yadda ƙa'idodin parti suka nuna lalle 'yan an kayi waɗannan zaɓe cikin anguwa-anguwa sai a zo siyo a yi kwanse lokal shine yau in eh, allah yarda za mu gabatar a halin yanzu ina kira da babban murya ga militan maza da mata na jam'iyyar pnds tarayya na dezem a dusuma abinda a fatanmu shine duka 'yan kandida kin gada za mu gabatarwa mai yawanci mu gadon mun ɗashe wa'annan kujeru kuma wannan na yiwuwa ne in allah ya yarda in muka haɗa kan mu muka dan cinciya madalminki ɗaya kuma insha allahu bisa ga interior party za mu tahi uwa ɗai uba ɗaya allah ubangiji ya sa mu cimma wannan nasara mu cimma wannan guri place le bureau du Conseil fédéral extraordinaire qui a procédé à la présentation des candidats aux élections législatives et à la validation des candidatures aux élections locales. Nous sommes là ce jour pour vous présenter le fruit de tous nos conciliabules, c'est-à-dire la liste de nos camarades qui ont eu l'honneur d'être investis par leurs sections respectives de la lourde et noble tâche de défendre les couleurs du Père Tareya aux élections locales et législatives des 13 et 27 décembre 2020. Ces candidats sont avant tout des militants de notre parti, donc nos camarades. Ils sont également des responsables des structures de notre parti, donc nos dignes représentants. C'est pourquoi nous devons, chers camarades, nous faire un point d'honneur à nous engager entièrement avec la conviction et la détermination dans les batailles électorales pour faire triompher nos poulains candidats du PNDS Ces candidats investis par leurs sections respectives feront l'objet d'une validation définitive au niveau du comité exécutif national d'ici le coordinateur Tareya de la région de Niamey en clôturant les travaux de ce conseil fédéral extraordinaire. Je voudrais également vous remercier du soutien que vous avez apporté à vos candidats investis cela à travers vos acclamations. Nous sommes euh, convaincus que derrière euh, votre présence et les acclamations, nous avons votre détermination à vous battre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. L'objectif étant d'être le premier parti dans la région de Miami à toutes les élections locales, législatives et présidentielles. Nous allons tout simplement vous dire merci et vous exhorter à davantage d'engagement nous allons demander de retrousser vos pantalons pour les hommes et de bien attacher vos pannes pour les femmes, parce que je vous l'ai déjà dit, la bataille sera ardue. Nous avons pris la responsabilité, tous ensemble ici, d'engager des camarades pour aller défendre les couleurs de notre parti. Nous avons donc le devoir de les aider à À l'issue donc de ce Conseil fédéral, le PNDS Tareya dispose d'une liste provisoire de candidats aux élections législatives et locales. Notons qu'à la fin de ces travaux, des motions de remerciement au président de la République, Issoufou Mamadou, et de soutien au candidat Bazoum et aussi de compassion aux sinistrés des des inondations ont été faites par le Conseil. Les importantes pluies enregistrées ces dernières 48 heures ont entraîné la rupture d'une digue du fleuve du côté du quartier Lamordé. La digue ayant cédé, c'est donc d'une manière inattendue que l'eau du fleuve a envahi tous les riverains des quartiers Lamordé et Karadji. Et c'est avec beaucoup de peine que les personnes touchées récupèrent le restant de leurs biens. Nous sommes extrêmement choqués, nous sommes extrêmement touchés par, ces, par ce fléau. Nous avons eu beaucoup de choses qui ont été emportées par l'eau. Les trucs, hein, même mes diplômes, même, ils ont tous été mouillés par l'eau. On a eu beaucoup de pertes vu cette situation. Hier, vers 14h, il a commencé à rentrer petit à petit jusqu'à maintenant, vers, ça n'a même pas fait 30 minutes hein, ça envahit tout le quartier maintenant est inondé. On a essayé de sauver le mieux qu'on peut mais malheureusement, ça a été plus grand que nous. Parce que c'est quelque chose qui est venu rapidement et qui a emporté. On s'y attendait pas, on s'y attendait pas qu'ils nous viennent en aide. Peut-être même euh, acheter les endroits pour nous donner quelque part ou construire. Parce que chacun, c'est comme ça, chacun, nous sommes sur ce nous, faisons face à ces genres de situations chaque année. Il faut noter que cette catastrophe a engendré plusieurs pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Les victimes n'ont pas manqué de lancer un vibrant appel à l'endroit des autorités pour les aider à faire face à cette situation qui ne fait que prendre de l'ampleur du jour au lendemain. L'inondation, on n'en parlera jamais assez au vu des dégâts causés. En effet, aux côtés des décès et blessés enregistrés sans perdre de vue le nombre important de personnes sinistrées, il faudrait aussi compter avec les dégâts économiques engendrés car au bord du fleuve, ce sont des jardins prometteurs pleins de semis de toutes sortes qui ont été envahis et engloutis par l'eau. c'est tout un espoir de vie qui a été brisé pour certains. Songo haro agogo koi. ka haro go ko alhamdulillah wallahi da mun mutuma ne mai hare no go girme na sai mun na hare hare no go girme na sai muna asarau kan ite sai kolgoto na ganda na go ai zaga ka ai zaga ka ai dina ni no san bapa ai faida o banda banda kulkalino kalamu ko mero ninno ga koi bene ko koi bene kalamu koi ponta jono kul kaliyan no non yankunu ni mola an hasar wo te de kel koy sede to dai mo mu tara ginga koy te zambar hin kade da ni ko koy zambar fo da jon gude dan da hasaro kan ate tin dai wai da kale ka anwa ni na faktiro ka a ginga te yan to ce mo kai irga te wallahi irga baga sina amma isdiya igo gir murai irga ba imin nan yirsa digge ina a diggo amoru ina amori isa ya dinga dina dan ne ize na dai no gunu ta ga mun mo kan ina dan haro siga haro siga koi isara a siga esto ke kala ineran kalora omme ya dinga don dina dan dina dan dina dan gallano ni di haro ga dure reservation hannu o aside bode ngeni ngam kwara ngwa dina dan nongo kayirki ni isa ya wara kula singa de bode ga kwara ngwa aro markan kada a ginga gayi amma ine ne no a hangunda Ne sachant plus à quel sens se les propriétaires de ces jardins continuent d'entretenir peine perdue le peu d'espace non encore inondé. Ils gardent par ailleurs l'espoir de lendemain meilleur. Mercenariat politique nommant une marionnette manipulée. Écrit dans ses titres à sa une le journal L'actualité pour qui le parti ne peut plus regarder faire. Il a à prendre le taureau par les cornes, opter pour une grande chirurgie qui soigne le parti d'une gangrène qu'on ne peut laisser se cancériser dans le corps politique. S'il a, connaissant bien le jeu malsain de certains, laissé faire, c'est qu'il a pensé que lorsque les orpailleurs politiques se seraient rendus compte du caractère infructueux de leur archéologie, ils pourraient revenir à de meilleurs sentiments car ce n'est pas eux que les humanistes aiment, mais Hama dans le combat de la dignité qui est le leur aujourd'hui. Écrit à Saïn l'actualité. Le journal poursuit dans ses colonnes qu'il est temps de parler, de crever l'abcès, de révéler à l'opinion tout le complot ourdi de l'intérieur par des que l'on croit acheter pour saboter le parti et mettre en difficulté un candidat qui dérange. Ceux qui s'agitent à arracher le parti savent qu'ils n'ont aucune envergure pouvant leur permettre de prétendre reprendre et gouverner le parti, écrit toujours le confrère pour qui le modèle Falouman Africa n'est ni un royaume sur lequel qu'elle peut trôner le prince Noma pour décider seul de ce que devra faire le parti, fut-il un président intérimaire, ni un héritage sur lequel il aurait tous les droits dans le mépris du peuple qui le compose. Peut-être que le parti avait mis du temps à comprendre le jeu de l'homme qui a insidieusement travaillé à discréditer certains grands militants de la première heure, à savoir Omar Hamidou, Di Ladanchana, Lady Gross et l'honorable Daouda Nuhu écrit toujours le confrère. Avec le recul, il est loisible de comprendre aujourd'hui le jeu de celui qui se faisait passer pour un des inconditionnels de Hamma. Quant au journal La Rue de l'Histoire, il rapporte à propos du modèle Falouman Africa que le président par intérim reste intransigeant. Le président par intérim du mouvement démocratique pour une fédération africaine moderne Faloumana Africa, Omarou Noma reste intraitable face à certains responsables du parti qui refusent de se soumettre à son autorité et surtout de se conformer au texte du parti et aux dernières décisions de justice intervenues dans le contentieux qui opposé à certains militants. Après une réconciliation de façade, tant à travers la réunion du bureau politique qu'il a présidé au lendemain de la décision de justice du 5 août, le confirmant comme président par intérim et la mise en scène du congrès du parti Aminamen de Omar Hamidou Tchana, où Oumarou Noma s'est laissé entraîner courtoisement à saluer le président historique du Modern Faloumana Hamamadou, qui nous voue un terrible mépris depuis qu'il a assigné le parti en justice. Les tensions ont repris de plus belle nous apprend le confrère, mais cette fois-ci avec une stratégie de la part de ses adversaires de vouloir le dribbler en le piégeant. Mais, à force d'être minimisé, le présent Numaru a compris que son seul paravent, c'est la maîtrise des textes du parti. Grâce désormais au texte dont il a fait son chevet de lit, il confond ses adversaires politiques qui ne savent plus à quel sein se vouer. Plus loin dans ces colonnes, le journal rapporte la crise au sein du MNCD. Seigneur va-t-il frapper s'interroge en gros le journal. Pour la première fois depuis le début de la crise profonde qui affecte le parti, on parle au sein du MNSD de sanctions disciplinaires. Depuis quelques semaines, dans l'entourage du président Seigneur Omarou, cette hypothèse était brandie mais n'avait pas été abordée au cours du congrès extraordinaire du 15 août en raison, indiquant, de certains obstacles contre tenu dans les textes fondamentaux du parti. Raison certainement pour laquelle ce point est inscrit en pôle position à l'ordre du jour de la réunion du jeudi 10 septembre 2020. Il faut donc, selon le confrère, s'attendre à des sanctions dans les rangs du MNCD à l'issue de la réunion du jeudi 10 septembre 2020. Toutefois, précise le journal, Seigneur Oumarou a encore quelques équations à résoudre au niveau des membres du bureau politique national, dont beaucoup ne sont pas encore totalement acquis pour sa cause. Les sections de Maradi, de Zender et de Tawa, qui ont récemment déclaré lui avoir retiré leur confiance, constituent des obstacles sérieux à surmonter, sans compter, selon le journal, la section à triple tête de Difa et la section de Niamey où il compte de nombreuses oppositions. Dans tous les cas, estime le journal, la réunion du jeudi 10 septembre 2020 du bureau politique du MNSD Nassara s'annonce houleuse. Seigneur aura à déployer tout son tact pour sauver le parti d'un énième schisme ou exacerber les tensions avec les risques d'éclatement à la veille des échéances électorales de 2020-2021. Une équation difficile à résoudre, estime le confrère. Puis, en ce qui concerne les élections 2020-2021, l'opposition veut-elle d'un audit neutre S'interroge pour sa part le canard déchaîné. L'opposition politique a toujours exigé que le fichier électoral biométrique soit audité par des entités neutres afin de garantir la fiabilité du résultat final. Ce qui suppose, bien évidemment, selon le confrère, que le processus d'audit soit mené par des structures internationales qui jouissent d'une crédibilité et qui ne peuvent être accusés de soutenir un camp politique au détriment de l'autre. L'opposition a de toute évidence trompé l'opinion publique et internationale en exigeant que ses représentants participent à l'audit du fichier, écrit le confrère, pour qui c'est une incongruité de taille car cela suppose que les partis de la majorité de l'opposition et des non-affiliés continuent de s'entre-déchirer à propos du dit fichier avec pour conséquence de perturber un processus électorale qui est déjà bien partie. La question que l'on doit se poser, selon le confrère, est celle-ci. Que cherche l'opposition politique nigérienne Est-elle réellement prête à aller aux compétitions électorales à venir Cherche-t-elle au contraire à perturber, voire empêcher un processus électoral pour lequel elle se sait perdante d'avance Toutes ces questions se posent actuellement, au moment où l'opinion publique nationale assiste impuissante au rejet systématique de l'opposition politique par rapport au processus Quant au journal Le Monde d'aujourd'hui, il rapporte à sa une que l'opposition rejette totalement l'audit de l'OIF. Il faut rappeler selon le journal que c'est par lettre du président de la CENI adressée au chef de file de l'opposition le 24 août 2020 que la CAP 2020-2021 a été invitée à désigner deux experts pour prendre part aux travaux et actions du comité. Le président de la CENI, maître Isaka Suna, écrivait notamment que son institution avait demandé à l'OIF, à la CDAO, et à l'UA hein, de soumettre le fichier électoral biométrique à un audit conjoint prévu pour se dérouler la première semaine de septembre et que cette démarche se veut inclusive et transparente. Une mission composée d'experts qui examinera le fichier électoral biométrique et veillera à ce que les éventuelles anomalies pouvant exister soient identifiées et corrigées. Voilà pour les intentions. Dans les faits, les experts des partis politiques sont considérés comme des simples observateurs dans le comité ad hoc présidé par le vice-président de la CENI et non moins militant du PNDES Taraya Aladoua Amada et où siègent sept autres représentants de la CENI dont Oumarou Malam, Atahir Mahamad, Oumarou Seidi, Li Isoufou Boubakar, tous militants du PNDES Taraya ainsi que Moubamba, Moubamba et Ismaël Deré au titre de Gemalto, l'opérateur technique. Puis en ce qui concerne la coalition CAPOV 2020-2021, la roue de l'histoire écrit en gros à sa une, le jeu trouble et ambigu de l'opposition. Plus les échéances électorales de 2020-2021 s'approchent, plus les partis politiques de l'opposition, qui ne se sont visiblement pas préparés à affronter les urnes, s'organisent. Après avoir essayé plusieurs regroupements politiques qui ont volé en éclat, les quatre fronts de l'opposition politique, à savoir le FRDDR, le fp l'EFP et le FDR, qui agissaient depuis quelques mois en synergie, viennent de formaliser une coalition dénommée Coalition pour l'alternance démocratique CAP 2020-2021. À travers l'acte fondateur de cette coalition politique, ces initiateurs ne cessent de claironner sur tous les toits à l'alternance démocratique. Mais paradoxalement, à entendre les propos de certains leaders politiques de ce regroupement politique, on est loin de cette alternance démocratique et pacifique. Certains parlent de lutte, d'autres même de mobilisation et d'autres termes qui invitent à l'insurrection populaire. Toutefois, précise le journal, dans cette coalition hétéroclite d'une vingtaine de partis politiques, il y a des leaders qui croient à l'alternance démocratique et qui s'inscrivent dans le processus électoral en cours, s'activant à sensibiliser leurs militants dans cette perspective. C'est sur ce fond de divergence sur les objectifs visé par les différents partis politiques qui composent cette coalition que le CAP 2020-2021 a opéré sa première sortie médiatique, rejetant l'audit du fichier électoral biométrique, base essentielle des élections 2020-2021, réceptionné par le président de la Commission électorale nationale indépendante à CENI le 2 septembre 2020. Un rejet fantaisiste selon le confrère qui en dit long sur la perception et les visées de certains acteurs de l'alternance démocratique nouvelle formule. Au journal, l'expression d'ajouter que le ridicule ne tue pas au Niger. Les Nigériens ont été ébahis. Ils ont appris avec surprise et amertume la nouvelle danse de l'opposition politique nigérienne. Cette danse se résume selon le confrère par la création d'une coalition dénommée CAP 2020-2021 un mouvement JAR M5 au Mali pour renverser le régime de Issoufou Mamadou et à tout prix, même si pour cela il faut piétiner des morts pour accéder à la magistrature suprême du pays. Ce mouvement est morné, indique le confrère, du fait du manque de leader JAR, euh, l'imam Diko et de l'aval du peuple. Il est aujourd'hui totalement voué à l'échec. La coalition politique mise en place le mercredi 2 septembre 2020 par les partis politiques de l'opposition nigérienne et selon le confrère, le résultat des confitures totales de cette opposition politique et un mal de crédibilité et de popularité. Une opposition désapprouvée par les Nigériens. Quand on estime qu'un régime a failli, il lui faut, selon le confrère, le sanctionner à travers les urnes et uniquement par les urnes. Toute autre forme de remise en cause d'un gouvernement démocratiquement mis en place est, selon le confrère, contraire à la démocratie. CAP 21 peut-elle atteindre ses objectifs dans ce postulat Vatanguer CAP 21 a-t-elle quelle légitimité pour appeler les Nigériens à la révolte, à l'insurrection et voire à la guerre civile s'interroge le journal. Puis le 57e sommet ordinaire de la CEDEAO, le journal Le Temps rapporte dans ses titres que devoir accompli, Issoufou passe le témoin à Nana akufo Ado Le lundi 7 septembre 2020, le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à la cérémonie officielle d'ouverture de la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation régionale dans un discours d'ouverture devant ses pairs ouest-africains au Centre international des conférences Mahatma Gandhi de le président Issoufou Mamadou a indiqué qu'au cours de son mandat à la tête de la CDAO, il a mis l'accent au moins sur trois domaines. Les grandes priorités du moment, à savoir la sécurité régionale, la consolidation des institutions démocratiques et à l'intégration économique. Sur le plan de l'intégration économique, les différents programmes ont souffert des effets de la pandémie pandémie à Covid-19, a dit le chef de l'État. En ce qui concerne la situation politique et sécuritaire au Mali, le président Issoufou Mahamadou a rappelé les décisions prises par la CDAO lors des trois sommets virtuels sur ce pays. Le Mali a plus que jamais besoin de stabilité pour que les aspirations fortes du peuple malien à la sécurité, au développement soient pleinement satisfaites. Il est du devoir de notre communauté d'assister les Maliens en vue de rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques. La militaire doit, selon le confrère, nous aider à aider le Mali. Nous fondons l'espoir qu'elle répondra favorablement aux mesures prises par notre communauté. D'autres partenaires stratégiques du peuple malien fondent le même espoir. Et pour finir, nous apprenons du canard déchaîné quand ce qui concerne les pluies diluviennes, le chef de l'État a apporté son soutien et son réconfort aux sinistrés de Saga. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou a visité mardi matin le quartier Saga dans le 4e arrondissement communal de Niamey, inondé suite aux récentes pluies et à la remontée des eaux du fleuve Niger. Les pluies continuent et malheureusement les inondations continuent aussi en provoquant d'immenses dégâts comme on vient de le voir ici à Saga, a dit le président Issoufou Mahamadou à l'issue de cette visite. Face à la situation, le gouvernement organise la solidarité avec les populations sinistrées, a-t-il indiqué. Nous avons conçu et nous sommes en train de mettre en œuvre un plan intégré de soutien aux populations, non seulement à Niamey, mais sur l'ensemble du territoire national, a affirmé toujours le chef de l'État. Le président de la République a rassuré par ailleurs les populations sinistrées sur les dispositions qui sont en train d'être prises pour les reloger, pour les appuyer en alimentation, en vivres, etc.